Le 19. Le 19. Le 19. Le 19. Dimanche. Le 19 mai. À 10h. Au foyer Amokat De Guédiawaye. Vous êtes élève en classe de terminale. Nous vous convions à la science de synthèse philosophique qui aura lieu le dimanche 19 mai au foyer Amokat de Guédiawaye à partir de 10h. n'arrêtez surtout pas ce rendez-vous du donné et du Certains diront que c'est une réflexion sur la vie, d'autres diront que c'est une réflexion sur la mort. Par conséquent, la philosophie peut être perçue comme une réflexion sur l'homme. À la question qu'est-ce que l'homme, nous tenterons d'y répondre dans nature et dans culture en montrant le langage et le travail comme une spécificité humaine. Le fait de vouloir s'humaniser n'est-il pas nécessaire pour l'homme de vivre en société Cette société comment est-elle régie Quelle est la place de l'État dans la vie sociale Pour se différencier de l'animal, n'est-il pas nécessaire aussi pour l'homme de procéder à l'activité artistique, plus particulièrement à la question de l'esthétique, autrement dit la philosophie de l'art Vous voulez avoir un aperçu sur tous ces concepts Nous vous donnons rendez-vous le dimanche 19 mai au foyer Amokat de Guédiouaï à partir de 10h à ce rendez-vous du donner et du recevoir. Dimanche, le 19 mai à 10 heures au foyer avocat de Guédiawaye